Madame le point focal, mais en même temps coordonnatrice de la cellule genre du CEM Ousmane Gom. Chers parents d'élèves, je vois M. Nyan dans l'assistant. Chers professeurs, honorables invités à avoir en titre et qualités, chers élèves. C'est un immense plaisir pour le CEM Ousmane Gom d'accueillir et d'abriter cette activité organisée par Equitas, mais en collaboration avec le Club des droits humains du SEM Ousmane Gom. Et tout ça aussi, je peux exprimer, je peux utiliser cette expression, coachée par la cellule genre de notre établissement. Et cette activité aujourd'hui porte sur un thème pertinent, d'actualité même, M. Diagne l'a tantôt souligné, car il s'agit de violence au pluriel en milieu scolaire. Et quand on parle de violence en milieu scolaire, la forme qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il y a différentes formes de violence, c'est la violence entre les élèves. Et je crois que cette violence entre élèves euh, revêt plusieurs formes. On peut en constater, par exemple, dans les cours de récréation, euh, dans des endroits non surveillés de l'école, mais aussi, surtout en dehors de l'école, pendant l'aller ou bien au retour. Donc, certaines formes de violence sont exercées par les élèves envers d'autres élèves. Et ces violences-là sont d'ordre physique ou psychologique. et ces violences-là vont avoir donc des impacts il y a des causes que certaines personnes donc vont développer et, et, et c'est donc les conséquences. Moi, je vais m'en arrêter là. C'était juste pour vous dire que notre établissement est très heureux et très honoré d'accueillir cette activité. Encore une fois, nous vous remercions pour nous avoir choisis et nous souhaitons que cette activité connaisse une réussite formidable. Madame la représentante de l'IA, Madame Diong, Madame la représentante de l'IF de Thièsville, Monsieur le représentant de, de Iquitas, Madame la représentante de l'AGS, Madame la représentante de, du RADO, Monsieur le représentant du CDPE, Madame les responsables de cellules Jean, Monsieur le principal du Saint-Ousmane Gom, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers invités, le groupe Diapo du projet APCF par ma voix vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence la cérémonie de ce matin qui entre dans le cadre des activités du projet APCF de Equitas le projet Autonomisation et Participation citoyenne des jeunes et des femmes est initié par Equitas, un centre international d'éducation aux droits humains, en partenariat avec le réseau Equitas Sénégal pour l'éducation aux droits humains, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, le CLVF et la RADO. Le projet vise l'autonomisation et la participation des femmes et des filles, notamment celles en situation de vulnérabilité. Un objectif qu'il est en train d'atteindre à travers un meilleur respect des droits humains et la réduction de la violence. Depuis 2014, ce projet s'active à Thiès et à Pékin autour de deux problématiques qui sont en réalité des recommandations fortes formulées à l'endroit du Sénégal par l'EPU l'examen périodique universel. Je veux citer le non-accès à l'état civil et les violences faites aux femmes et aux filles. Après avoir bénéficié de la formation nationale du mois de septembre, nous, je veux nommer Khadija Diouf, qui est là. Des applaudissements pour Khadija s'il vous plaît. Aminata Kamara, elle est où Ibrahim Nyan, Monsieur comme vous l'appelez, et moi-même avons choisi de travailler sur les violences entre élèves en milieu scolaire. Pour ce faire, un groupe de 12 membres composé d'élèves du premier cycle, du second cycle et de l'université a été sélectionné et formé sur les droits humains en général et sur la violence en particulier pour mener des actions de sensibilisation et ainsi contribuer à la recherche de solutions pour un espace scolaire apaisé et propice aux études. Des séries d'ateliers de formation, de sensibilisation, des et des causeries et autres activités ont été faites. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous espérons qu'à la suite du travail de sensibilisation mené sur le terrain, et après cette mobilisation, les acteurs du système éducatif pourront mieux cerner l'ampleur de la problématique. Nous osons croire que notre rêve de réduire considérablement les violences entre élèves sera sous peu une réalité. Monsieur, Madame les invités, Madame le point focal, euh, je me présente d'abord, c'est Madame Sek Isegei, adjointe au maire de la commune de Thiès-Nord, en même temps représentante de l'IF de Thiès-Ville, Madame Fatoumata Je suis là donc en tant qu'adjointe au maire et en tant que responsable du bureau genre de l'IF de Thiès-Ville. Donc, au nom de ma double casquette, je vais d'abord présenter des remerciements à l'endroit du groupe Diapo de Thiès qui ont initié cette belle mobilisation humaine sur les droits, sur les droits humains et aussi des remerciements à l'endroit du point focal, Madame Dong, qui tout à l'heure, le, le principal du CEM, Ousmane Gom, l'a dit, qui n'a ménagé aucun effort pour être auprès des enfants pour vraiment que ce thème retenu par le groupe Diapo, c'est-à-dire la violence faite aux pères, soit éradiqué de manière générale dans ce CM de Ousmane Gom, dans la commune de Thiès Mais aussi, on espère de tout cœur que les enfants qui sont en face de nous, que les élèves qui sont en face de nous, que les parents qui sont derrière nous soient des relais de cette sensibilisation sur la violence entre élèves dans le milieu scolaire que l'on remarque dans pratiquement tous les établissements du Sénégal, en particulier du Tchèque, et que l'on espère de tout cœur vraiment que ces enfants seront les vecteurs pour éradiquer à jamais ce fléau dans les établissements. Mes félicitations aussi vont à l'endroit de tous les membres du groupe Diapo, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi à l'endroit de tous les représentants du bureau genre de l'IF de Thiesville qui sont présents dans la manifestation. Je m'en vais terminer mes propos par les recommandations de l'IEF Fatoumata Diallo, qui vraiment, au nom de ma modeste personne, vous envoie ses félicitations et ses encouragements et vous exhorte vraiment à continuer sur ce lancer pour plus de sensibilisation, plus de communication envers les élèves et envers vraiment les enfants démunis, les enfants vulnérables. Monsieur le principal, je ne vais pas terminer mes propos sans vous adresser les remerciements de l'IEF en tant que principal, vous avez abrité cette belle manifestation humaine et j'espère que vraiment les enseignements seront respectés et appliqués par les élèves. Merci à tout un chacun. moo fi doon jaay bi gi naan daa joŋe naan dung di ma ko envoyé tey nag laa naan dung ci dëkk bi tey lay tasaam xol xolu ndiggam lu ron li mel ne rond normal ma envoyé lépp sunu classe sunu groupe whatsapp bi tey laa ko fa naan tey jaarale ko fii voilà sama nekk si tasaare naa voilà je m'en fous tombé mooy loolu quoi. fii Sénégal ñëpp bëgg a connecté whatsapp whatsapp whatsapp ngeen ah. non. yow lan la gaawee ñu. léegi ne urul ay am na ci kaw suuf. non li may gis nëpp nëpp nëpp nëpp nëpp. gaaw a gaaw a gaaw a. non. ñu ngi classe dama leen laaj yoo xam ñu ngi classe. ñooy classe ke. nekk ñu classe de. ok. moi j'ai l'impression que je suis dans ma chambre. non. waaw. kii madame la. booy kii madame la. mais. xool xool ji comme xaalu téeméer. mais booy booy bi baax na. loolu koy comme xeer. booy xoolal xoolal ma koy envoyé booy ñaar kii su ma ko envoyé man ma simee ko envoyé ko. waaw waaw waaw. Euh, et celles qui ont eu à donc, euh, faire des allocutions. Remercier nos élèves pour euh, donc, le sketch qu'ils nous ont présenté, un sketch plein, d'enseignements. Alors, au nom de l'inspecteur d'académie, remercier le principal, le groupe Diapo. Donc, et j'espère que ce que nous venons de faire n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on a l'habitude de dire. Remercier l'AGS pour nous avoir éclairé. Parce que c'est de ça dont nous avons besoin, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est des moments de prédoyer, c'est des moments d'échange, donc des moments favorables pour donc parler de ces violences que nos enfants subissent en silence. Donc je déclare close <laughs> la conférence ou close le panel de ce matin. Merci, monsieur le MC, qui a aussi <laughs> subi une excellente formation. Merci, Monsieur Diagne. Voilà. Pour commencer, je vais d'abord me présenter. Euh, c'est Madame Fall, Fatiga Agissek. Je suis euh, consultante à la boutique de droit euh, de, de Je fais partie de l'association des juristes sénégalaises. Je vais, je, vais, tout d'abord présenter l'association des juristes sénégalaises, communément appelée AGS. Donc, l'association des juristes sénégalaises c'est une association de femmes de femmes juristes euh, qui est née depuis 1976 euh, et qui œuvre euh, dans la majorité pour l'épanouissement des droits humains, surtout pour ceux des femmes et des enfants. je suis également très, très contente d'être ici parmi vous, ici au niveau de, de l'enceinte de l'école Ousmane Gom, parce que j'ai été une ancienne élève. J'ai eu ici euh, mon BFM. Donc, euh, l'école a participé pour une grande partie euh, à faire de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc, c'est une, une, grande satisfaction <laughs> et, un grand plaisir pour moi de, retourner ici. En général, les, élèves qui sont au niveau des CM n'ont pas, pas, pas, pas encore atteint l'âge de la majorité. Parce qu'au Sénégal, on dit que l'âge de la majorité, c'est de 18 ans. Il ne faudrait pas que vous dites que vous êtes mineur, donc vous n'êtes pas justiciable. Donc les mineurs de plus de 13 ans peuvent avoir des peines de prison. Donc ce qu'il a fait tout à l'heure, c'est un délit, et c'est un délit grave. Parce que euh, la fille lui a envoyé les photos dans un cadre privé. La fille n'est responsable en rien. Parce qu'en fait, ce n'est pas une infraction qu'elle a fait. Elle a fait des photos en privé et les a envoyées à la personne en privé. Donc la personne qui a divulgué les photos, c'est cette personne-là qui est responsable pénalement. Donc en fait, euh, il faudrait aussi que, que, que, vous chassiez cela. Euh, vous, ne vous, ne, vous, ne, vous, ne vous dites pas que vous êtes mineur, que vous ne pouvez pas aller en prison. Dans certains cas, les mineurs, surtout les mineurs de plus de 13 ans, peuvent être justiciables et ils sont responsables pénalement. C'est ce que disent les articles 53 et les articles 54 du Code pénal. On a vu souvent euh, des, élèves de, CM ou bien de lycée qui terminent leur cursus en prison parce qu'ils ont fait des, infractions euh, punissables. Pour dire que la question de la violence est une question sociale, et je, dis que c'est un, problème de santé publique qui se pose actuellement, non seulement à travers le monde, mais plus particulièrement dans nos, dans dans nos écoles. Et tout ce qui se passe en société s'y reproduit. Euh, la violence a été définie de façon très claire par euh, ceux qui ont eu à me précéder à la tribune. Seulement, je voudrais tout simplement préciser que toutes les formes de violence laissent des séquelles. Des séquelles physiques et des séquelles psychologiques. Et justement, ces séquelles-là doivent être prises en charge pour un bien-être psycho-émotionnel de la personne, de la victime, je dirais, entre guillemets, ou de la personne vulnérable. Et c'est ainsi que en matière de psychologie, nous procédons souvent en cas de, victime ou de client, je dirais entre guillemets, nous procédons à l'évaluation du besoin psycho-émotionnel de la personne que nous devons prendre en charge. Nous évaluons le traumatisme, euh, euh, qui est le produit ou l'accumulation d'un stress post-traumatique, qui fait que la personne est souvent dissociée, perd ses repères, agitée, euh, vit un mal-être que nous appartiendra maintenant de, résoudre pour le rétablir dans un état meilleur. Euh, je me réjouis de ce que fait l'AGS, avec qui nous collaborons très étroitement dans la prise en charge des violences en général. Euh, mon domaine, c'est surtout la violence sexuelle, avec les nombreux abus qui se passent dans nos établissements entre élèves. Nous avons, on nous a référé des cas où deux élèves ont eu à être les acteurs d'un abus sexuel qui a engendré eh, des grossesses, des viols suivis de grossesses, etc. Euh, la JS vous a parlé des, des, considérations juridiques, du fait que la JS fait de l'assistance technique. Et la JS vous a parlé des peines prévues, des sanctions prévues en matière euh, de violence exercée par un enfant de moins de 18 ans ou de moins de 14 ans plus de 13 ans, c'est 14 ans en général, on dit au niveau de, de, de, considérations juridiques. Alors je me réjouis donc de ce panel qui, comme euh, le dit, n'est qu'un début. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire au niveau des établissements parce que les enfants que nous avons dans les établissements, ce sont les dirigeants de demain. C'est le Sénégal de demain que nous devons encadrer, orienter et protéger. C'est dans ce sens que je dirais qu'au niveau du département, il existe ce qu'on appelle le comité départemental de protection de l'enfant. Euh, monsieur a, eu à vous en parler tout à l'heure, qui déroule une stratégie nationale de protection de l'enfant. La protection, elle ne doit pas être fragmentée, mais globale. Dans tous les domaines de la vie de l'enfant, nous devons euh, développer des stratégies que nous permettent d'assurer le bien-être de l'enfant. Chers élèves, chers invités, je m'en vais vous rappeler un peu par rapport à l'ordre administratif parce que le CDP est une institution. Par rapport au rapport étatique que le CDP verse, on voudrait que l'équitable soit nominatif. Mais malheureusement, si sur le plan administratif, on ne reçoit pas des courriers, on n'est pas invité, ça pose problème sur le rapport. Ça, c'est une chose à corriger. Parce que le rôle que joue Equitas sur les droits humains doit être nominatif dans le rapport étatique, surtout dans la protection. Parce qu'un de nos éléments, qui est le point focal société civile, vient d'être nommé directeur national de la protection. Et la protection, elle est englobante. Mais la thématique d'aujourd'hui, par rapport au CDP, surtout les violences faites par les pères. Mais les violences faites par les pères est due simplement par l'ignorance, la crise d'adolescence, la folie de jeunesse. Et chacun a sa partition à jouer par rapport à cette violence faite. La violence, elle est multiforme. Même les élèves se violentent eux-mêmes à travers les réseaux sociaux. Parce qu'un élève qui a cours à 8 heures, qui est sur son smartphone jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, impacte négativement sur son vécu quotidien par rapport à ses études. Ça, peut-être que des, voix plus mienne vont être plus explicites par rapport à ça. Madame Tanto a dit le rapport, l'examen périodique universel. Nous sommes la première organisation de la société civile à déposer un rapport en 2006 Aujourd'hui, si on capitalise vos efforts, ça va nous permettre aussi par rapport au rapport sur l'examen périodique universel qu'on soit nominatif. Aujourd'hui, moi je vais faire focus sur quand l'enfant est victime. Souvent, on se focalise à punir tour, alors que sur le bien-être émotionnel, sur la santé mentale, sur la santé physique de l'enfant, on se préoccupent pas. Et ça, c'est un problème. Il faudrait, on a des structures qui sont là, qui appartiennent au CDPE, qui sont des spécialistes, qui sont des psychologues, on, les compte, mais les psychologues cliniciens, on les compte des bouts de doigts. Et cet enfant qui est victime a besoin d'un appui psychologique. Et on a là les psychologues cliniciens. Sur ce, je fais un mention spécial à Pape qui est le coordinateur de l'Observatoire du CEGIT, qui sur le plan psychologique ont fait un travail extraordinaire et bénévolement. Je ne vais pas me plonger sur le verbiage, parce que tout a été dit. La répétition, elle est pédagogique, certes, mais trop de répétition tue la pédagogie. J'invite, pour terminer, à Equitas de se joindre au CDPE. Parce que au niveau du CDP, tous les acteurs, toutes les organisations, les personnes qui travaillent pour la protection sont membres du CDP. Titre et qualité et grade, j'aimerais articuler mon intervention sur trois points essentiels. Le premier, le premier point, c'est expliquer un peu ce que c'est Equitas. Le deuxième, reparler un peu du projet et les résultats attendus. Le premier point, Equitas. Euh, pour corriger parce que beaucoup, effectivement, les gens se trompent. Equitas n'est pas une ONG. C'est un centre de formation internationale qui se trouve au Canada, et précisément à Montréal, et qui offre des formations dans le domaine de l'éducation aux droits humains. Euh, c'est une structure qui a fêté en 2017 le cinquantenaire. Et chaque année, au mois de juin, euh, Equitas offre un programme international de formation aux droits humains qu'on appelle le PFDH, qui est ouvert à tous les militants qui travaillent sur les droits humains, mais aussi aux éducateurs, aux enseignants, aux étatiques et aussi aux différents membres des différentes ONG à travers le monde. Euh, en 2006, les participants sénégalais qui étaient présents à Montréal sont revenus et ont proposé à Equitas la création d'un réseau de participants qui ont déjà eu auparavant à faire la formation. Et le Sénégal a été donc le premier pays qui a abrité un réseau Equitas pays. Et aujourd'hui, en Afrique, il y a 38 pays qui ont le réseau Equitas, avec le label Equitas. Et la thématique principale tourne autour de l'éducation aux droits, aux droits humains. Et depuis 2010, en Afrique, il y a une session maintenant de formation qu'on appelle la session régionale de formation aux droits humains. Et là où je vous parle, il y a une session qui se déroule au Burkina et qui est à peu près un peu le pendant de ce qui se fait à Montréal. Equitas n'est pas aussi un bailleur de fonds, mais Equitas travaille avec les acteurs dans les différents pays pour voir comment arriver à habiliter les, les militants et les défenseurs des droits humains comment les éduquer et comment transformer positivement la, société. Le deuxième point sur lequel je voudrais parler, c'est le projet Sénégal, le projet APCF, qui est devenu un projet plus grand appelé REDEM. APCF, c'est l'autonomisation pour la participation citoyenne des filles et des femmes, hmm, des jeunes. Euh, c'est un projet qui avait comme thématique principale la participation citoyenne et surtout aussi euh, ça a un peu évolué et aujourd'hui on y parle d'autres éléments comme euh, par exemple euh, les violences et aussi comme la torture qui est aussi intégrée. Et le projet maintenant plus grand s'appelle REDEM. C'est le renforcement de l'éducation aux droits humains à l'échelle mondiale. Hein. Et ce projet au Sénégal concerne les communautés de Pikin Guédiouaï, de Thiès, de Noto et de Ziguinchor. Ziguinchor comprenant la région naturelle, c'est-à-dire la région de la Casama, Seyou et, et Et aujourd'hui, là, euh, actuellement à Pikini, ils, ont, ils développent un projet, une activité similaire. Ce soir, la communauté de Noto va aussi faire la même activité. C'est un projet, comme Mme Sophie Nong l'a dit, qui a été donc monté par un groupe, un groupe qui a eu à être formé à Sali et qui a aussi formé un groupe aussi pendant un mois et demi un groupe de 12 qui actuellement sont en train de dérouler cette activité-là. Et je remercie vraiment tous les membres de ce groupe Diapo qui ont euh, réalisé cette belle activité. Maintenant, ce projet, cette mobilisation, ce n'est pas l'aboutissement du projet. Ce n'est pas un aboutissement. Au contraire, c'est le début. Ça doit être le début d'une nouvelle démarche pour voir quels sont les changements souhaités. Et ça, c'est le troisième point mon intervention, qu'est-ce qu'on vise On vise à éradiquer les violences. On ne peut pas enlever les conflits dans le monde, ni un conflit entre pères. Mais ce qu'il faut, c'est comment arriver à résoudre pacifiquement les conflits sans violence, entre pères et parler et par les